tu veux que je danse ah, Danse. J'ai pas envie de danser. Pourquoi Tu veux que je danse comme ça, devant des milliers de personnes Ça te dérange pas que ta maman, elle danse hein? Bon, laisse-moi tranquille. Arrête de m'embêter, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Tu me donnes un jus, là. Un Excusez-moi, on a été coupé. Bon, je voulais pas partir sans terminer ce que j'avais à dire. Mais euh, de toute façon, on va reporter. Hein, c'est des conversations qu'on va avoir très souvent. On va avoir plus souvent ce genre de conversations, euh, parler de, beaucoup de choses, parler du développement personnel, parler de travail, parler d'immobilier, parler d'entrepreneuriat. On va parler de beaucoup de choses euh, qui vont servir et franchement les lu ma xam ci immobilier bi euh, les lu ma xam ci ci business dina len jox expérience pendant dix ans bi parce que j'ai envie de voir tout le monde vraiment faire son maximum voilà donc je vais tout vous donner mes mes mes recettes tu vois je vais tout vous dire tout vous apprendre enfin tout vous dire pas vous apprendre mais merci je vais tout vous tout vous expliquer, quoi. Comme ça, vous allez bien comprendre. Euh, voilà, voilà. On va partager, en tout cas, j'aimerais dire. Tout à l'heure, je disais pour le Ndiabar. Euh, c'est une question d'un abonné qui parle de les gens, de les et tout, et tout. En fait, moi, je vous dis, euh, c'est un piège émotionnel. Déjà, il faut savoir, affaire de Ndjabar, c'est un piège émotionnel. Attention, je ne dis pas que c'est une amour. Je ne dis pas que Ndjabar amour. Ndjabar Amna njabar amna man xamna naa njabar amna te ñun ñëpp xamna ni Sénégal njabar amna amna ñuy yak viu jàmbur ci ci ci laps de temps njabar amna franchement ku taxaw fi de sëriñ amul galaj amul c'est parce que man je dis que tu as pas beaucoup d'expérience galaj amna njabar sering na amna man gis ku ñu sanni korte ku ñu takk ñaareel jëkkëram ñu sanni ko corte elle voit ses règles depuis trois ans, tous les jours que Dieu fait, elle voit ses règles. Je vois naa ku ñu sànni de euh, tëdd na wallaahi ba mu bar sàq la en train mais problème est c'est compliqué ce côté là c'est un côté très sensible et je n'aime pas trop parler de ça mais je vous dis man sama ressenti man Je ma gëm man

Ah, et ça on le met dans le destin de la personne à kulli à dans case d'adjectif qualificatif donc koy destin donc le jël à ala ah, destin nga destin sa destin mi ngi ce bisou sa bisub date de naissance 18 nangam nangam non, ngay amé date de mort 18 nangam nangam tay boo leen demee ci bamé bu mu mën a da gis madame euh, euh, je sais pas un nom au hasard Jocelyne Khoma Ndjay je sais pas un nom au hasard diou Né le 18 diou décédé le 18 diou date yoyu allah kulli a ku ci nekk ci ñun yang koy traîner mooy date de naissance bi ñëpp xat date de mort bi ump ñëpp légui nak yow sa aduna nga ni jullit nga nga ni yow doomu gor nga nga ni yow ku baax nga mais au delà de ça nga jël sa tànk dem ci njabarkat pour yàq àdduna diw yàq liggéeyu diw pour ñu dàq diw pour ñu fal la pour ñu yàq doomu jàmbur pour sa doom dem pour doomu jàmbur du tukki loolu man je di dis c'est parce que sunu sunu sunu sunu sunu sunu date de mort dañoo umb mais yàlla bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu joxoon ku nekk date de mort comme sunu date de naissance nekk fi sunu date de mort nekk fi ni njabar du am. walaaxi bon du am parce que heure boo bëggee def lu bon rek xam ni que sa dadda moo rek yi nii ñu bindal la ko walaaxi di nga ko moytu mais c'est parce que kumpa bi ñu yàlla bàyyi ñenn ñi yaakaar danañ dund ba dee te lu ñu def duñ ko fay loolu moo may nit ñi doole moo tax ma ne leen yàlla du nit moo tax ma ne leen yàlla du nit yàlla du nit. kumpa biñu am ñun ñëpp ñi di dox ku nekk di cëli cëli di make up te suñu bisu suñu dee umpañu moo tax lu bon am mais buñu léron wallah wallaahi du dem ci lu bon ndax ku ne xam nga ne bëss bi lay xaar bien vrai que dans le subconscient inconsciemment ku nekk xam na ni mom bakkat buñu ñu dund di nga ñam dé mais am na ñoo xam ne dañoo ragalul yalla ragaluñ ko dañ ko ñëmé té nak ñëmé yalla nak nekk yéfer weesuwul lool nga ñëmé yak bakkanu jàmb ñëmé yak vie wu jàmb mais man li ma leen ñu conseillé moy bu len dara jaral ngeen dugg ci lapsus boobu bu len dara jaral ngeen dugg ci lobby boobu bu len dara jaral ngeeni dugg ci affaire de njabar te ngeen xamni aduna lu way am danga ko mérité ak lu mu meuna doon même bu nekké simple bic bi nga am c'est mérite la même bu nekkee euh, benn butéelu RTM euh, nga am c'est mérite la lu am c'est mérite la te nga ne yalla. du nit soxlawul aviwu kenn bu ñépp woon diw mii safara la jëm yàlla képp moom kase a à l'autonomie am na potentiel u la la la adduna bi yëpp ne mooy dal diw yàlla cundub da koy changer ci seconde kon boo wéeroo ci moom waroo tiit waroo ragal tëdd guddi di ragal nit nit bu la tëkk mu tëdd guddi di ragal ku la tëkk wallaahi ragal yaa yab yàlla la nit warul ragal tekk ci kaw suuf bu Vous nga wéetu ak yalla aduna ak nit bu la ba suba la def ay parce que ci ki nga la du déglu ay Tu du déglu ay avis du soxla du làcce lu neex lay def amul papa amul yaay lu ko neex lay def lu tu neex lay def te bo len duggé ci tu le le le le mot ça veut tout dire la patience est divin la patience est de Dieu muñ wéetoo ak yalla la lu la nit def nga muñ ko nga bayiko ak yalla nga dawal nga xol da koy gis soxlo lu nga dem ci njabar soxlawul njabar perte temps la perte temps la yéfer yëfu yéfer la ay détail la té aussi mën na la bloquer parce que boudé yow sarawan bokul du nek rawan bu ñuul bok ci bëggé dugg da ngeen sa bopp problème dara dakul sarax jël sa alal partager ko ak niou ju doole yi di génné lu fo toll di génné ñam fo toll lo am bokk ak nit ñi fonk say wajur teral say wajur bëgg doomu adamay rek a tax kenn du la mënal dara lu way lu décider rek si faut lay pour abonné bi ma doon laaj affaire de njabar liggéeyal sa liggéey nga focus ci sa liggéey nga développer wu nga nga nga nga nga que euh, yow potentiel bi nga am moy développé sa liggéey mu ki am potentiel yàq sa liggéey nga bàyyi ko ci potentialité am yow nga yem ci li nga xam mooy développer si liggéey fonk sa liggéey jàppale say waa kër fonk sa wéyjur surtout sa wéyjur bu jigéen nee naa la wéyjur bu jigéen gàllaaj la si doom gàllaaj la si doom man suñ ma laajee na bu daaj am sa gàllaaj dama naan la sama yaay la wéyjur gàllaaj la si doom amul man gisuma ci kaw suuf gàllaaj bi gën a foor ñaanu wéyjur ci doom gisuma ko gisuma ko gisuma gàllaaj bi ko gën a fort ku ci nekk suñu am nga gàllaaj bu foor bu dee sa ndey mi ngi dund ba tey jàppal ni ma chérie am nga gàllaaj bu fort muy dem jox sa ñaari loxo yi sa yaay ne ko yaay ñaanal ma mu ñaanal la moom ñaanam kase sa ñaanu yaay kase kase kase kase kase kase kase kase dina tax sa moroom yépp kale yow nga décalé nga dem sa ñaanu yaay kase kase kase kase kase dina la fekk dina la fekk biir hôpital desul lu dul nga wàcc àddina sa yaay di la ñaanal bay jooy yàlla si yërmandeem ak ci sa yërmande yaay mu génne la ci xat-xat yooyu man xat-xat yi ma nekkoon gisuma papa gisuma xarit gisuma abonné gisuma jëkkër gisuma kenn mais sama yaay laa gis te xam naa ne sama ñaanu yaay mu ma fa jëlee ba tey ma bëgg dem États-Unis continuer samay jàng ci koo xam ne vie am demoon na bay yàqu ci ay ay détails ay wax ay kii ku nekk bëgg la ñu bëgg ñëpp bëgg la daaneel. koku mo jogat tay di wax ak yeen kon ngeen xamni ni ñaanu wéjur lu nit di bako nekul lu nit di di di di di di di di di di def drapeau mais li ngay liggey la sa yaay mën na la ñaanal te defal ko dara rawatina na nga teral ko nga defal ko nga nga nek ak nga nekkal nga nekkal ko guddii nga nekkal ko beccëk ay rongañam bëggo mu mu bëggo mu tour buggoo mu xiif boobu ñaan la parce que du question que sa yaay ñaanal na la rek non non ñaanu wayjur nekkul parce que yaay bu nekk day ñaanal doomam de baas mais dafa am li yàlla di noté mooy yow bàyyiwoo sa yaay xiif bàyyiwoo sa yaay mar seetaanoo sa yaay bàyyiwoo ko mu sonn bàyyiwoo ko ci yenn loolu yépp bu ko yàlla dajalewee mais yow njabarkat bu lay téye dafa dof njabarkat biy toog ci sa tur di wird dafa dof parce que yàlla du ko lijjanti c'est-à-dire ay ñaanam Moi, je suis ñaan pour ci yow directement day wat ci parce que sa yaay motax yaay dafa dafa mata xel ci histoire firawna rek di comprendre lu ci yaay yaay dafa nek un puissant un puissant je peux pas dire c'est un puissant talisman manam moy galaj bi fort ci aduna moy yaay te man sama la man man et j'invite tout le monde à faire le maximum pour leur maman papa c'est la bok, mais maman yaay dafa fait ci dors. te loko defal ko man sama yaay li ma defal ni yep, muy teral ko jox ko De dëkkal ko mu joy sama yaay bugguma mu joy, fekk dama sama yaay bu ne ça. ma minuit na dama ma taal sama auto minuit di wër restaurant bu ubi parce que bëgguma sama yaay xif légui nonu nonu ma mel ak sama yaay ala kulli Ahmadou noonu lay mel ak man ala kulli aal parce que dama ko lebal sama yaay samay doom dañ ma koy fay par force loolu dafay mel ni ma dem si banque lebal leen 5 millions ma bàyyi sama ma bàyyi sama 5 millions ma def benn DAT ci banque 5 millions xam nga li ma la wax dépôt à long benn DAT si banque 5 millions dans 10 ans ma ci banque bi ne leen sama xaalis banque bi naa ma non xaalis bi sa xaalis la li nga liggéey sa yaay sa alal la yaakaar ma sa doom dañ la koy fay par force dañ la koy fay. amul sax ay c'est que c'est-à-dire non de la koy fay par force te man motax dama nek di lebal sama yaay le maximum pour sama doomi ñu fay ma ko te man leer na ma leer yàlla ni buma budé fan inshallah machallah duma son pour ñuy tok di gis mënul am budé dee fan parce que ci gudd fan nak la xet la xet budé dee fan inshallah machallah man na bu kébé allah kulli al duma son sama vie duma son duma son possible. Ahmadou daf ma koy fay Malik, daf ma koy fay dañ ma koy fay dañ may fay ba wis parce que jamono bi la c'est comme si xam nga wax naa la banque bi parce que bo jëlee bo joxee cinq bo jëlee cinq millions ko jox ko banque en 2010 nga retiré xaalis bi 2030 banque bi jot liggéey ci sa xaalis da ngay am li wax ay euh, da ngay am une valeur ajoutée si l'argent initial te lo dañ la koy jox dañ lay wis manam dañ lay fay ba wis la man dañ may fay bu wis ma fa force parce que sama yaay la moo donc li ma conseiller moy ngeen fonk seen waajur yu jigéen ça c'est la base benen bu ci top ngeen di maye di saraxé di wax lu bax di sédel nit ki loko xamal moytu jëw moytu sos moytu fen yi mom boko ko moytoo man gisuma kuy tere texte si mais fuñ la fekk yaa ngi jëw sos fen bu paree di wat bu paree yaakaar ni yow yi fen yi nga fen yow rek ya ko xam mais yalla tiim na la gis na ko dégg na tu vois loolu da gal encore genre dans la vie il faut être léger man du la sosal du la fena du la djou j'en ai rien à foutre de toi xam nga lan moo ñow sama liguey sama vie sama jëkkër dat je suis trop simplifiée simplifiste voilà donc ça c'est l'attitude qu'il faut avoir arrête de te vanter le monde s'occupe de ses parents, soit modeste. Ouais. Je ne serai jamais modeste envers ma mère. Fatima, je ne sais pas ce que tu as fait à ta mère, mais je ne serai jamais modeste de ce que j'ai fait à ma mère parce que je n'ai encore rien fait pour elle. Je n'ai encore rien fait pour elle. Moi, mon souhait le plus, le plus, le plus, le plus haut serait de mettre ma mère dans la plus grande des, des, Stalingrad, c'est-à-dire mettre ma mère dans un niveau, elle, elle sera d'une joie démesuré. Je n'ai encore rien fait pour ma mère. Et j'ai envie de faire tout pour elle. Et je vais faire tout pour elle. Et si l'amour que j'ai pour ma mère te dérange, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment ta maman. Fatima, si tu aimais suffisamment ta maman, ku mais comme tu as de la même manière que j'aime ma mère c'est pour ça que tu ne peux sortir que ce genre de commentaires et ça c'est la méchanceté qui est en toi. En me regardant, en m'écoutant, je, suis en train d'animer ton côté bestial et tu es en train de d'avoir mal. Je sais pas, je sais pas, c'est une jalousie mal placée. Parce que l'amour que, que j'ai pour ma mère, je vais le chanter, je vais le crier, je, je vais l'écrire dans les murs de tous les coins de Dakar j'aime maman, j'aime ma mère, Naboudage. je vais l'écrire dans les ruelles de, toutes les villes de Dakar. C'est ça en fait. Si tu t'aimes pas ta mère, bah, I don't know. Je sais pas pour toi. Excusez-moi, je bois un peu. bref, je prends un commentaire. En fait, je ici beaucoup, mais des fois, tu m'énerves beaucoup. Boulissane. Euh, bref, je t'énerve. C'est normal, tu es une femme. Et tu sais, les femmes, elles sont tout de suite énervées quand elles voient euh, une femme qui fait des chichis, tu vois. Euh, peut-être mes manières qui, que n'aimes pas. Et je suis désolée, si je t'énerve, euh, je pense que pour ta stabilité émotionnelle, il faudra aller dans une autre page où la personne ne t'énerve pas parce que c'est contradictoire. Tu m'aimes et je t'énerve. Donc, ça devient de la possession, ça, ma chérie. ça devient de la possession, ma chérie je t'aime, mais je, tu m'énerves. Bon, positive, on avance. Hum, elle dit euh, Amgasi droit, maman Edwige. alors donc euh, franchement Diapal, et tu n'as rien perdu tu vas voir que ta vie sera comme dans un film tu aucun souci. Continue à, implorer les bénédictions de ta maman et fais tout pour elle et donne-toi à fond parce qu'il y a Faner et une fois qu'on l'a perdue, on, voit une partie de sa vie partir. Et ça, c'est quelque chose, je le, le, souhaite à personne. Et ça peut... Euh, voilà, tu es handicapé, quoi. Tu, as une partie de toi, partie et voilà. Donc, quand ta maman est là, tu, fais tout. Voilà. Nabou, tu as parfaitement raison. Moi, mon premier salaire, mon premier, mon premier salaire, j'ai payé le billet pour aller avec à ma maman. Euh, Momina Tiloy. Honnêtement, je suis très fière de toi et tu as fait un, très gros truc. Et ton premier salaire, me dire que ça y est, pour ça veut dire que de toute ta vie, ma chérie, do, do ce que tu De toute ta vie, do le salaire bi nga amoon ba jox ko sa yaay fii ak deux ans dafay multiplier bon doon fayeeku un million da ngay fayeeku deux millions boo doon fayeeku deux millions fait en fait dafay doubler et tes enfants vont te le faire et c'est l'agréable surprise c'est de d'avoir des enfants qui nous aiment à notre tour tu vois genre je suis très fier de toi et c'est ce que j'aime en fait des gens euh, positifs pas des mercats de Bopokon, là, honnêtement. Donc voilà, c'était juste histoire de vous tenir un peu informé de la situation. Alors, ni n'est que New York, ni n'est que euh, euh, euh, New York, oui, je, serai à New York. Pas... J'ai hésité entre Texas, New York, mais entre Houston et Brooklyn, mais je sais pas. Je sais pas, vous, vous pensez quoi Texas, je, je, sais pas. Je suis mitigée. J'ai passé un mois à chercher où aller. Mais New York, euh, c'est peut-être que j'ai pas mal de connaissances là-bas. Mais bon. De toute façon, si vous avez des Airbnb, comme je vous ai dit tantôt, n'hésitez pas à me les envoyer. Et euh, donc, je prévois m'installer aux États-Unis l'année prochaine. Bref, c'est avec un grand regret que je suis en train de faire mes valises. Avec un grand regret, le pays va me manquer. Mais bon, comme on dit... Euh, comme on dit partir euh, n'est qu'une partie remise. En plus, je vais pas faire mon anglais. Quand je vais venir, je vais commencer à faire I don't know what I'm saying <laughs> je vais changer d'accent. Je vais commencer à vous énerver ici. Bref, je rigole. Nabou, je voudrais te parler en privé, business si possible. Alimadou, Alimatou, Alima Amadou. Euh, Alima, tu sais, business là, honnêtement, euh, bon, disons, je envoie, envoie-moi un message en DM. C'est pas grave, je, vais t'assister. Parce que d'habitude, je refuse, mais c'est pas grave. Je vais t'écouter. Et je vais te donner euh, mon point de vue et t'assister, quoi. Je vais être gentille, comme je suis pas gentille, là. Hein. Moi qui avais aucune, moi qui avait commencé avec 5 millions pour démarrer mon business, j'ai payé le billet pour la mec, pour ma mère. Oh, c'est trop gentil. On n'est pas Gay, vous êtes bien. Je comprends si vous n'aimez pas Naboo, pourquoi vous la suivez. Djanaba ne les focus, ne focus même pas sur elle, s'il te plaît. Laisse-les, c'est parce qu'elle m'aime bien. Djanaba, tu sais, les femmes, elles m'aiment bien. C'est juste que je dégage peut-être une confiance en moi qui, qui dérange. Peut-être l'eau, leur affaire de confiance en soi. Là. Naboudage Dash Close, nous à Londres, yow rek lañuy top. Est-ce que nous sommes dëkk ak ñun? Ibra Non, Londres moi mën ma fa pas. Vraiment, baxna. Sen dëkk bi dafa cher. Et moi, genre, j'ai pas d'argent, tu vois. Je suis pas milliardaire, tu vois. Genre, je suis milliardaire au Sénégal, mais je suis pas milliardaire en dollars et en pounds. Donc, euh, voilà. Et puis, États-Unis, c'est un, un, choix. C'est un choix qu'on a fait avec mon mari. Parce que et tout, tu vois. Mais sinon, je passerai euh, à l'occasion vous rendre visite, Inch'Allah. Euh, j'adore ta joie de vivre, malheureusement il faut, c'est la triste réalité, il faut être heureuse, hein, sinon on, déprime. Euh, elle dit, euh, Un commentaire, donc voilà, c'est un peu ça. Alors la page va changer d'admin, je serai plus admin. Euh, je vais plus m'occuper de, certaines choses. Hein. Vous allez voir que tout va changé. Alors, euh, le nouveau admin sera de fonction demain. Et on aura des lives structurés. On fera des lives, par exemple, tous les dimanches soirs pour parler d'un sujet précis. On va parler de on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la santé, on va parler de la dépression, on va parler du travail, on va parler de la polygamie, on va parler des collègues jalouses, on va parler de tout. Franchement, ce sera chaque live avec son thème. Et je vais l'annoncer euh, au préalable, c'est-à-dire avant de faire le live, on aura un petit, petite un petit préambule qui va défiler sur les réseaux Et si ça vous intéresse, bah, vous serez dans le live, vous allez écouter, écouter tout ça, tout ça. Et je vais commencer à inviter des gens dans mon live euh, deux, trois, quatre personnes, histoire de partager les avis, les vécus. Tu vois. de vraiment euh, développer euh, les choses et que les gens commencent à parler, parce que parler, c'est une thérapie. Et aujourd'hui, quand je vois sur Facebook, j'ai posté la dernière fois la vidéo d'une fille qui avait vécu un traumatisme dans son mariage. Mon vidéo de me un peu passé et qu'elle commençait à parler ce qu'elle a vécu dans son mariage et tout et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai été un grand... Euh, j'ai été l'élément déclencheur de ça sur les réseaux c'est moi qui ai commencé à parler de, de, mes, problèmes et tout le monde commence à parler de ça. Et c'est libérateur. Quand on parle de ces problèmes, on se libère. C'est quand on les garde que ça nous fatigue. Mais quand on partage, quand on les sort, quand on sort ce qu'on a dans le cœur, on devient plus allégé. S'il y a des sociologues ici, des psychologues, des psychothérapeutes, parler, ça libère. Et parler dans l'anonymat, c'est bien. Parler dans, euh, en personne physiquement, prendre, prenant ses responsabilités, c'est bien. Mais l'essentiel, quand on vit une situation euh, qui n'est pas favorable à notre état de santé, à notre morale, qui nous dérange, qui a failli nous faire perdre la vie. Il faut partager, il faut parler, parce que parler, ça libère et ça sensibilise. Et ça, c'est très important que les gens puissent euh, pas euh, mettre le confort total aux hommes, malgré leur, leur comportement inexplicable. Des fois, il faut prendre, il faut, il faut, il faut prendre, il faut, il faut prendre la défense des femmes. Mais euh, à chaque fois que je poste une vidéo d'une femme qui a souffert, tu vois dans les commentaires, une femme qui te dit « Ouais, mais c'est toi qui es bonne. » En fait, c'est l'impression que l'homme peut tout faire à la femme et qu'il sera toujours le meilleur des hommes. Maintenant, une femme qui, a subi et qui sort et qui parle, ce sera la pire des femmes. Et ça, cette mentalité doit changer l'homme ne vaut pas mieux que la femme d'autant plus que c'est la femme qui porte la naissance euh, je redéfinis mes mots c'est plus correct et yar et la femme c'est le berceau de l'humanité et que je ne conçois pas que des femmes puissent voir de l'autre femme souffrir et s'en réjouir et être contente et se dire que mon bonne et que voilà non franchement il faut s'entraider et s'entre comprendre parce que qui qui nous, ba génn ba wax ko actuellement moom moo ko xam tu vois moom moo ko dund génn wax ko yow mi nga xam ne yàlla jàppale na la ci sutura nga am góor bu baax góor nga xam ne trop torturé wu la traumatisé wu la defu la lenn dis-toi que adduna dafa gudd tànk et rien ne te dit que tu vas pas finir comme cette femme qui passe son temps à pleurer sur les réseaux personne n'est à l'abri du trauma personne est à l'abri de, la dépression. Tout le monde peut passer à ça. Maintenant, on bien de voir quelqu'un qui souffre, de lui donner la main, que de se moquer. Parce que se moquer, c'est très petit. Quelqu'un qui est dans une situation de faiblesse, se moquer, Quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, qui pleure, toi, en tant que femme, au lieu de venir lui donner un mouchoir, l'assister, tu es là, c'est bien fait pour elle. Qui? dara et tu fais le mal à qui au moins elle elle va s'en sortir après cette étape elle va devenir plus forte elle va s'en sortir plus forte meilleure mais toi qui n'as pas vécu ça le jour où tu vas vivre ça là est-ce que tu vas parler ton entourage même va commencer à te dire, tu vois, donc, Aduna, comme on dit, chaque personne a, son tour euh, chez le coiffeur. Il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui se noie tant qu'on n'a pas traversé la rivière. Ça, c'est une phrase qu'il faut mettre dans votre tête. Voilà, ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Donc, peut-être qu'on t'a éduqué avec l'argent. Hmm. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une, il y a une abonnée qui a dit, née non dafa dafa liggéey ba yóbbu yaayam màkka am ku ko tontu ne ko xaalisu a nga yóbbee sa yaay màkka Mohamed Mohamedou Mohamed Traoré ki ne baas dafa ni euh, elle a écrit sama 4 million bi ma bëggoon ubbi sama boutique laa yóbbee sama yaay màkka Mohamed Mohamed Traoré ne ko xaalisu caga warul dem màkka xoolal pour quelqu'un qui a yow Mohamed yow sa yaay tuddee la Mohamed. en fait moi, c'est cette mentalité que je comprends pas Qui n'est? dafa dajale xaalisam pour yóbbu yaayam màkka dafa dafa en fait dafa les xaalisam pour ubbi benn boutique ensuite mu jël xaalis bi finalement yóbbu ci yaayam màkka am ben abonné bu tudd Mohamed. Mohamed, ni Khaz, xaalis bi nga yóbbee sa yaay màkk xaalisu cagala vous avez vu le comportement genre góor boo leen sëyee ak moom vous pensez que votre vie va changer en quoi genre ñii nii toi déjà sa yaay ki la jur déjà jigéen la góor juru la sa baay juru la jigéen moo la jur sa baay xut ba sa nopp yi Mouhamed nga ñëw si page jàmbur ñuy waxtaan nga ne nit ki xaalis bu mu yóbbu yaayam màkk xaalisu cagala ci ku tudd Mouhamed avec ça yow nga ne góor nga bu dul woon bi nga tudd Wallahi, la wax luy te mais malheureusement Mohamed bi nga tudd mérité tu mérites pas en fait tu mérites pas de tu je dirais pas que tu mérites pas de vivre de fa mais en fait tu ne mérites rien tu es un vaurien et tu es un va tu es un homme petit tu es un petit homme avec un petit tache et j'en suis sûre que entre tes jambes ce qui se trouve entre tes jambes ne dépasse pas euh, la longueur de mon ongle. Tu es très petit. Pour pouvoir insulter d'une femme que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève parce qu'elle a acheté un billet de mec à sa mère, pour vraiment ne pas l'avoir connue, même si tu la connaissais, ce que tu as entre tes jambes ne dépasse pas ça. Tu es très petit. Et puis ton nom là, Traoré, tu es très petit. Je ne sais pas si ta femme me suit sur les réseaux, mais je ne, je ne, je ne, j'ai pitié de ta femme. Parce qu'il n'y a rien de tel dans la vie que d'être marié à un homme incapable. Il n'y a rien de pire que de partager son lit avec un homme petit. Petit de taille et de taille. Petit de tête, de taille et de taille. Tu es très petit, tu es un rien. Et à ta place, j'ai honte de la, de de la femme qui t'a mise au monde. Ça y est, faut me Elle n'est pas fière de toi. man, le pour bu ma possibilité jur doom bi mel yow dama koy damay préfère sax kep samay tank mu delluwaat parce que nañu ne euh, jur mu dé du yaral dal du yara dal mais jour lu ne lëng muy dagg seen di saaga jigéen ngi réseaux sociaux yi di ko wax tiaga ti xamuloo ko dara djël bàkkaat bu rëy ci lu ko tuddu Mohamed vraiment je je peux rien dire de plus parce que c'est ton nom mais Traoré su nekkoon man may sa yaay damay kep samay tank dougalat la ci biir. Mais jamais je te mettrai au manger honte pour ta maman. Je ne sais pas si elle est morte, je ne sais pas si elle a envie. Mais j'ai juste envie de l'appeler et lui demander, mais qu'est-ce qu'elle a fait de ton éducation Vraiment, ta mère a raté ton éducation. C'est des hommes comme ça qui vont faire pleurer nos sœurs. Elles vont rentrer dans les dépressions. Vraiment, tu es incapable, tu es petit. Voilà. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas te bloquer de la page. Je vais te laisser là tous les jours que tu, que, que, que, tu vas cliquer dans ma page, tous les jours que tu vas te connecter, tous les jours que tu vas te réveiller, je te dirai que tu es un homme petit. Tu es un vaurien, un vanipier, un moins que rien pour avoir insulté une abonnée. Et Kiné, ne te, ne te focus pas sur ce qu'elle a dit. Kiné, ne te focus pas sur ce qu'elle a dit. Ne, ne, débat pas. Bye que C'est un moins que rien. C'est pas un homme ça. Qui go c'est pas un homme ça tu vois même les PD ne font pas ça un homme comme ça tu traites les femmes de putes parce qu'elle a acheté un billet de mec à sa mère au lieu de féliciter au lieu de la féliciter c'est toi qui as donné l'argent pour la pouvoir l'insulter comme ça je suis choquée je suis choquée avec ça vous voulez que on va euh, bref Bon, mes amours, c'était ce qu'ils ont raté leur vie, beaucoup avancé. Kine, bas, n'est, no, ne te focus même pas. Voilà, qu'est-ce que yow mi yobu sa yaay maka kine. Mom jabaram sax assuré wul ko sax, ça veut dire que c'est des gens qui xamné mënuñu sax fay location. Négu 25 000 sax ki mënu ko fay. Bo démé jabaram moy fay lépp, jabaram moko yo parce que dafa nduro goru mbotay. Bul ko sax tontu. Faut pas qu'on se truc. Voilà, j'ai vraiment mal à ce qu'il t'a dit, mais euh, juste viens, on le, on le calcule plus. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire et euh, voilà. Donc, euh, mes amours, la page va changer. Je ne serai plus dans la page. Mais néanmoins, je répondrai euh, des commentaires sur mes prochains lives et tout, et tout, et tout. Alors, pour les gens qui passent leur temps à propager des, des messages négatifs sur ma page, à insulter ma personne par-ci, par-là, moi, je me dis que ce qui est bien dans la vie, c'est que quand vous n'arrivez pas, c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à détester la personne, de vous-même. Ne cherchez pas une coalition pour détester la personne. Les filles, surtout les filles, moi je ne parle pas des gars, parce que des fois, de roubés, mais les filles, si vous détestez Nabou, détestez Nabou personnellement, mais ne cherchez pas des renforts. Nous diapalais pour genre, détestez-moi à titre individuel, mais ne cherchez pas euh, un collectif, euh, voilà. N'essayez pas de propager des fausses informations pour que les gens... Non, non, non, non, ça ne se fait pas. Je pense qu'il faut être euh, une grande dame, il faut avoir un grand esprit. Et quand on n'aime pas la personne, tout bonnement, on n'est pas sur sa page. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes sur la page de quelqu'un que vous n'aimez pas. Et vous commentez des commentaires négatifs pour montrer à la personne que je ne t'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, sois pas sur ma page mais je ne t'aime pas, mais je te regarde et je te dis dans ton live que moi, je ne t'aime pas. Mais ça, c'est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Time is money. And whenever you get your time wasted, you won't get it back. So save your time and make money with that. You don't like me, just stop following me. I mean, that's the quiet question. You know, uh, that was my dream to say that. Don't like me, just don't follow me. Mais tu, me, tu ne m'aimes pas. Tu me suis. Quand je poste un truc, tu viens dans ma, dans ma publication pour me montrer à quel point que tu ne m'aimes pas. C'est pas idiot, ça. C'est pas idiot, ça. Je ne t'aime pas, mais je viens dans ta publication pour te dire que moi, Nafisatou, je ne t'aime pas. Moi, Nafisatou, je suis plus intelligent que toi. Moi, Nafisatou, je suis... Mais Nafisatou, qui es-tu Arrête Tu m'aimes pas Multiplie ton temps par, par, par 10 et dégage de ma page. Je dis ça après, je dis rien. Je dis ça après, je dis rien. C'est bon, les amours, je fais de gros bisous. Et euh, c'est même insensé. Mamie, je vis ça à longueur de tous les jours que je n'ai une publication. Il y a une, à tout qui va venir là-bas, venir commenter. Nabou, je t'aime pas. Parce que, en fait, toi, ha, mais save your time. Tu ne m'aimes pas, sois pas sur ma page. Je sais pas jours, je répète, être pas, suis pas la page. Mais elle n'aime pas et suit la page. Moi, je me dis des fois, j'ai des abonnés masochistes. Elles sont maso, elles aiment bien, euh, voilà, elles aiment bien se faire abattre ou je sais pas, se faire battre, je sais pas. Masochisme, c'est le fait d'avoir, d'aimer les choses euh, hardcore, tu vois. Bref. Bref, je vous fais de gros bisous, mes amours, et on se dit à très vite. Euh, et comme je dis, pour les gens qui ont des contacts Airbnb, je vous en supplie, pitié de moi, contact Airbnb. J'ai juste besoin d'un studio, euh, chambre, salon, cuisine, jusqu'à 60 dollars par jour, si possible. Si ce n'est pas possible, bon, disons moins de 100 dollars, 80 dollars, d'accord, par jour. Euh, Manhattan, New York, Manhattan, Queens, Brooklyn, euh, je crois, Manhattan, mais Manhattan, je préfère pour être à côté de, de, de, New York Times et de tous les, tu vois, euh, tu vois du, Central Park et tout, et tout quoi. Euh, Manhattan, je, je préfère. Voilà. Après, 80 dollars, je peux payer par jour pour un, pour un, pas un appartement, mais un studio meublé. Voilà, donc c'est pour une durée de deux ans. Hein, ok, mais je vais payer par six mois, genre. Voilà. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui travaille dans ça, si tu as un frère, une soeur qui gère des Airbnb, s'il te plaît, aide-moi. Sinon, je vais me retrouver dans la rue parce que je j'aime pas trop les hôtels. Euh, c'est pas, je sais pas. Ah, il n'y a pas de cuisine. D'habitude, j'aime pas. Moi, je, veux une cuisine et tout ça. Voilà. Donc, aidez-moi dans ce sens-là, s'il vous plaît. Thème à déplacer, mon cœur. le USA. beaucoup déplacer.

aduna nak amu solo neex far neex mais ngeen doole voilà légue euh, mën ngeen ma DM adresse et tout ça comme ça après ma euh, comment on va s'arranger tout ça tout ça tout ça voilà voilà donc je crois que c'est en gros tout ce que je voulais dire et je vous fais de gros bisous et je vous aime énormément prenez soin de vous prenez soin de la famille de votre santé tout tout tout tout nabu yow nabu yow man a je vous fais de gros bisous mes amours prenez soin de vous ma madame, nabu mais vous êtes malade hein Sénégal ñu am ñu genre comme man je suis pas pasteur, je dois détester les gens de pasteur, quoi Sénégal vous avez un petit esprit moi je sais pas quel président qui va changer ce pays là je n'aime pas pasteur. pourquoi vous voulez pas que je je je vais détester pasteur je ne suis pas pour Pastef, mais je ne vais pas détester Pastef. Quand même. Je suis avec Amadouba, certes, mais Pastef, mon fils à la tête. Vous voulez que. Donc, moi, euh, je ne suis pas pour son corps. Je n'aime. Non, c'est pas ça la vie. Ah, non, non, non. Nous ne sommes pas des animaux. Il faut, il faut apprendre à cohabiter. Quand même. le fait que je suis d'accord, d'accord, cela n'empêche pas que c'est Jomar Jaher Faye, le président du Sénégal. Donc vous voulez que je, je, je, je déclare la guerre à qui Pourquoi vous êtes bête Pourquoi votre intelligence là, vous êtes assis dessus Vous êtes assise dessus Pourquoi vous êtes bête Quand je dis y'en ma yéen a mais c'est parce que y'en la fi la tête te ku ko soxor ku soxor vous êtes bête hein am nañu Sénégal dafa ay dof moi je sais pas comment est-ce que le pays va se développer hein. honnêtement les ngeen de me rentrer en guerre Waouh, non non non mais j'ai pas le temps on me tend des détails non non j'aime APR je suis avec euh, déjà Amadou n'est plus à APR il va mettre sa partie je suis avec Amadouba d'accord mais taille, aujourd'hui, aujourd'hui, à l'instant T j'ai Diakhar Faye et si j'ai un service à demander à Wapastef. mais je leur demande il est où le souci on n'est pas des ennemis nous sommes sénégalais Nous bokk même père même mère les sénégalais Sénégal tey bu pas ah. il est où le problème je suis pas burkinabèse moi je suis pas togolaise hein. je suis pas guinéenne hein. il est où le souci vraiment il y a des femmes qui ont ramené. Donc je me dis que vous êtes assis vous avez pris votre coefficient intellectuel vous avez vous avez sorti la petite boule vous avez mis derrière vos fesses vous êtes assis dessus c'est grave une dinguerie Bref, partagez-moi les adresses de location, s'il vous plaît. Ou sinon, si j'ai un colocataire, euh, euh, un coloc, c'est bon. Je m'en mets un colocataire. Ou... Pas un colocataire, pas un garçon. Je ne peux pas de coloc avec garçon. Une fille, c'est mieux. Le garçon, non, donne avec. Le coloc garçon, là, ou là. Voilà. Au pire, un Airbnb, ça me va. Laissez-moi juste les adresses, s'il vous plaît. Parce que c'est urgent, urgent, urgent. Donc, je fais de gros bisous, mes amours. Je vous aime. Et on se dit à combien dans euh, après mon départ ou avant mon départ en tout cas pendant dans quelques quelques semaines ouais peut-être 15 jours je sais pas parce que c'est temps-ci je suis moins sur les réseaux c'est bon laissez-moi partir je vous fais de gros bisous à euh, yo dangay Vito vite ah Vito donne-moi des astuces s'il te plaît donne-moi des tuyaux sois gentil je suis ta soeur bref bisous mes amours on se fait de gros bisous. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous. One love. Euh, voilà. À plus. Bisous.